Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir les chéris, vous allez bien Coucou, donc je laisse déjà tout le monde se connecter. Et euh, je crois que vous avez lu le thème. Donc euh, ce soir, j'aimerais parler de la dépendance affective. Euh, dépendance affective, euh, c'est un sujet qui est très important parce que ça fait très longtemps que je voulais en parler, mais malheureusement, euh, il se trouve que quand je suis à Dakar, je ne suis pas trop inspirée, je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement lié au stress du quotidien ou je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que quand je suis en voyage, mon cerveau tourne beaucoup plus beaucoup plus que quand je suis à Dakar. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai la flemme de réfléchir ou juste, je sais pas, je suis peut-être pas inspirée. Parce que des fois, euh, parler comme ça d'une manière spontanée, euh, sans écrire un, script, juste euh, essayer d'exprimer les choses telles qu'on les voit et telles qu'on les perçoit. Et espérant pouvoir aider des personnes qui sont dans, ce, dans cette position-là ou dans ce dans ce, comment dire, qui, qui vivent la situation en fait. Donc pour moi, c'est euh, vraiment une façon pour moi d'apporter euh, à tous mes abonnés, mes followers, voilà, des moments de réconfort ou juste un support. Et euh, aujourd'hui, grâce à Internet, il y a plusieurs choses qui sont possibles parce que nous sommes plus à, voilà, dans les temps où il euh, fallait allumer la radio, la télé. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. On peut véhiculer des messages, on peut sensibiliser, on peut discuter, on peut rigoler, on peut taquiner et on peut faire du thé santé, you know, ça, voilà, pour la touche et tout. Donc euh, voilà, donc ça c'est le pouvoir de, des réseaux sociaux et euh, franchement aujourd'hui... Euh, ça m'a beaucoup aidé parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas obligée d'aller dans les radios, dans la télé, enfin dans les télés pour faire des pubs. J'allume juste mon téléphone et euh, j'ai 500, 600, 700 personnes, 1000 personnes qui sont connectées. Et donc, plus ce que je dis est intéressant, plus les gens sont là. Donc, ce qui fait que c'est non seulement un challenge pour moi, parce que moi, j'aimerais bien qu'à tous mes lives que j'atteigne au moins, comme la dernière fois, la barre des 1000 et tout. Et ça, c'est par rapport au contenu que les gens sont là. Et euh, franchement, c'est non seulement moi, je me dépasse, parce que je, je, je, je j'y donne du mien. Enfin, je, me force à pouvoir maintenir 300 personnes en audience. C'est pas facile. C'est-à-dire que même à la télé, tu as une audience et maintenir ces gens-là pour qu'ils ne zappent pas, c'est pas quelque chose de facile, mais on essaye quand même. Et voilà. voilà. Donc ce soir, on va parler de la dépendance affective. Donc j'attends déjà un minimum de connectés. Ensuite, on va démarrer. Voilà. Il y a des gens qui m'ont proposé de prendre des vidéos euh, de Facebook, enfin de faire des appels vidéo, que les gens puissent intervenir dans les lives et tout. Mais je ne suis pas encore tout à fait prête pour euh, voilà, faire des appels audio, visio, enfin visio, visio, audio. je ne suis pas encore prêt, prête pour ça parce que bon, j'évite vraiment euh, certaines choses. Donc voilà, pour le moment, je préfère faire des lives comme ça notamment je lis vos commentaires et participez en commentaire. Je, vous lis et je vous répondrai, peu importe le commentaire. Même si vous m'insultez de merde, je vous lis et je vous montre que j'ai lu ce que vous avez dit. Alors, ça veut pas dire que vous m'avez insulté, que cela se colle à ma peau ou c'est je me lève le matin, j'ai l'insulte là. Non, c'est juste une façon de me montrer que vous êtes peut-être pas mature. C'est tout. Voilà. Et je le prends d'une manière très, euh, très cool. Alors, il y a une qui me dit, oui, je souffre énormément, je ne sais pas comment m'en départir. Ce euh, c'est pas au hasard que j'ai décidé d'en parler parce que moi personnellement, moi qui vous parle, j'ai euh, vécu une relation comme ça, euh, une relation toxique avec, avec quelqu'un avant de me marier bien sûr. Et je vous dis que la dépendance, la dépendance affective, c'est c'est pas facile c'est pas facile d'en parler. Ni dans son entourage, ni à son entourage, ni à sa famille, ni à ses amis. Parce que la plupart des temps, euh, quand on en parle, les gens te disent tout de suite, oui, mais ce n'est qu'un mec, euh, fatéco, baïko, oublie-le, nanana. Ils ne savent pas à quel point le gars euh, est imprégné, à quel point tu, tu l'as dans la peau et, et, et, ils savent pas les gens qui te disent que fay de top ki nga top de la la xamuñu li ngay yek, ci sa place xamuñu lu nekk sa xol xamuñu bi ngay parce que euh, xol du je suis désolée dans aucune des relations tu vois le cœur te dire que oui Fatoumata aujourd'hui tu vas tomber amoureuse d'un tel xol du euh, et puis euh, pour un homme il y a pas trop de dépendance affective parce que l'homme ne réfléchit pas avec sa tête l'homme ne, l'homme n'est pas futuriste vous avez jamais vu un homme planifier dans 10 ans l'homme ne planifie absolument rien l'homme tout ce qui l'intéresse c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut avoir c'est pas demain la femme elle au contraire elle se soucie de demain sinon euh, euh, c'est la seule, je dirais, des deux sexes qui s'inquiète de dans 10 ans, de dans 5 ans, euh, qu'est-ce que ça va faire, comment on va être, où on va être. C'est la femme qui se soucie de ça. La preuve en est que nous, nous en patience ou un 9 mois. Dieu a fait bien les choses. Dieu a très bien fait les choses. Il ne s'agit pas d'être philosophe, il ne s'agit pas d'être médecin ou d'être thérapeute ou d'être psychologue ou sociologue pour comprendre ça. C'est un fait que tout le monde a vécu. Moi, je l'ai vécu. Toi, tu l'as vécu. Et je veux dire que c'est comme ça. En fait, c'est le cycle de la vie. C'est naturel. Tout le monde a déjà aimé. Tu peux déjà peut-être aimer très tôt dans ta jeunesse ou aimer tard. En tout cas, quand on aime, on a toujours euh, eu un amour qui nous a blessés. Il n'y a personne qui peut dire que oui, moi je suis tombée amoureuse du bon. Non, on a toujours eu, avant notre amour actuel, un amour antérieur qui nous a blessés, profondément blessé. Il y a des gens après ça qui n'arrivent même pas à se relever. C'est la dépression. Et c'est... En fait, elles, sont, elles se délaissent elles-mêmes. C'est ne plus s'aimer. C'est un manque de considération. Donc, je vais développer. Je ne veux pas aller très vite parce que je veux vraiment que les gens comprennent. Et je veux vraiment qu'on échange, donc je ne vais pas aller très vite parce que moi, dans ma tête, tout est clair, tout est carré. Et je sais que tout le monde n'a pas la même euh, rapidité de think, euh, enfin de pensée que moi, donc je vais euh, aller pas à pas. Déjà, qu'est-ce que la dépendance affective Il faut savoir que dépendance affective, moi, bëgg nit ku lay toroxal bëgg nit ku lay tuuteel bëgg nit ku lay wàññi bëgg nit koo xam ne gisul lenn ci yow lu dul la utiliser la nekk ak yow heure bu la heure bu ko bu paré wacc la manam amul benn ben sentiment si yow li nga wara a manam falé ci dara dara dara dara du appel bu mou lay wo du message boy jot du lenn lo xamné bo togué ak nit ki di nga xamné ki parce que l'amour c'est des faits et c'est des gestes c'est pas la parole toog nit ki bëgg la jëf ko gën et jëf ko c'est pas forcément jox ko ay milliards mais jox ko respect wan ko considération il a a considération le minimum de respect peut-être que c'est vrai qu'il y a deux situations des fois tu es en relation avec un homme marié et moi j'ai toujours eu des relations avec des hommes mariés donc je suis bien placée pour vous dire avoir des relations avec un homme marié c'est pas très facile que ce qu'on pense c'est pas facile c'est pas pas facile d'accord avoir une relation avec un gars célibataire c'est plus acceptable que être avec un homme marié parce que euh, la dépendance affective là où elle impacte beaucoup c'est soit tu as affaire à un homme marié ou soit tu as affaire à, euh, à un pervers narcissique c'est les deux majeurs cas pervers narcissique ou un homme marié. Et je rappelle qu'on peut retrouver le pervers narcissique dans l'homme marié, comme on peut retrouver le pervers narcissique dans l'homme célibataire. Donc ça veut dire que le pervers est dans tous les deux cas. Donc là, qu'est-ce qui nous intéresse C'est la dépendance affective, euh, en gros. D'accord euh, je ne sais pas si je parle en Wolof ou si je parle en français, parce que quand je parle en français, les gens me disent Nabou, nous on n'est pas sénégalais. Et quand je parle en Wolof, français, les gens sénégalais me disent Nabou, nous on comprend pas. Donc je ne sais pas dans quelle langue je vais m'exprimer, parce que là je suis tout à fait perdue. Les gens me disent parle en français, parle en truc, mais je vais essayer de combiner les deux. Donc je disais, euh, nekak nit ko xamné euh, bi demul ci ñaari sens yow ku yow yow ya koy message yaa koy yow yaa koy di gis moom on dirait que dans les daw à chaque fois même si su deful dara hein, à chaque fois peut-être week-end peut-être d'une manière parce que digen non la met digen su xas la ba day tout le temps di nekk parce qu'on est comme ça on est très euh, on est très collante après il y a des femmes ça c'est des cas exceptionnels il y a des femmes qui sont vraiment pas du tout collantes voilà qui sont euh, un peu euh, comment je dis un peu dans dans l'indifférence, parce que ça va rien changer en elle Et souvent, ça, c'est des femmes qui ont vécu euh, une, forte blessure amoureuse. Donc, du coup, elles se sont renfermées. Elles se sont renfermées, elles sont plus open. Donc, ça, c'est un autre débat. Donc, on reste sur, quand même sur la dépendance. Et euh, donc, vous êtes attaché à mon tout le temps, tout le temps, euh, tout le temps, vraiment, le maximum. Des fois, vous des fois moi wax la des fois nga tu vois la am des fois nga tout le monde ne sait pas se maquiller par exemple tout le monde ne sait pas se maquiller tout le monde ne sait pas comment s'habiller en fait on essaie tout c'est-à-dire que même moi je sais pas trop comment maquiller je bon j'y vais au feeling voilà l'habillement également c'est question de goût et tout ça et de style et tout ça donc personne n'est parfait à 100% même si tu refais une chirurgie esthétique, même si tu fais tout ce que tu veux, il y a toujours une imperfection en toi. Cela veut dire que nul n'est parfait et nul n'a le monopole du 100%. 100%. On peut essayer de s'améliorer. On améliore son image, sa façon de se présenter, sa façon de s'habiller, mais on aura toujours des imperfections. Et ça, c'est la nature des choses. C'est comme ça, c'est la vie, ça se passe comme ça. D'accord Mais tu fais un effort, tu t'habilles. Le gars ne te dit même pas ah bébé il rafet ne même pas tu son il y' a rien en fait il est pouf y' a rien Il y' a rien Il y' a rien il est sans façon et impénétrable insensible Mais des fois toi tu te dis mais qu'est-ce que je fais avec ce gars là qu'est-ce que je fais avec ce gars là Qui lan lay def ak moi. faalewu moi, du ma woo c'est juste parce qu'il a envie de sexe on dit les choses clairement hein. Quand il t'appelle, c'est juste qu'il a envie de sexe. Donc voilà, pour lui, tu es sa pute, entre parenthèses, tu es la fille avec qui il couche. Donc c'est le bon temps. Après ça, il n'y a rien. Voilà. Donc tu es une espèce de, de, de, jouet pour lui. C'est lui qui manipule, c'est lui qui contrôle. Et puis tu te sens mal. C'est-à-dire que pouvoir Bobo, tant que tu le laisses à ton partenaire, tu te sentiras toujours mal. C'est lui qui va te dire, oh, tu es grosse. pata, j'aime pas comment tu es, où? faudrait prendre du poids, je pense que tu devrais faire ça. Toujours à te critiquer. Et même quand tu acceptes ces critiques, tu te dis, ok, peut-être qu'il le dit pour mon bien. Parce que nous, on est comme ça. Les femmes sont vraiment, euh, euh, comment dire, on est vraiment comme ça. On est euh, innocente un peu dans les bords quand on aime. Quand on aime, hein, je sais pas, quand on, <laughs> quand on, quand on barane, <laughs> quand on aime, on est un peu comme ça. Et tu te dis que peut-être, pour mon bien, donc je vais essayer de changer essayer de faire mu parce que me l'a en fait je veux juste être bien avec mon gars juste être bien avec mon homme Je dem def effort dem def lim la wax changer essayer changer sa habillement changer lit. et le moment et le moment où tu changes c'est là il devient pire qu'avant mais tu te dis que il m'a demandé de changer j'ai changé il m'a dit ah bébé man dama bëgg jigéen buy muuru te comme dama ko bëgg je mu je ma dem Je vais li yëpp ça ça veut dire que le gars il joue avec toi en fait tu es son yo-yo il joue avec toi aujourd'hui il te dit comme ça demain il te dit ça et puis que à chaque fois qu'il te dit un mot doux c'est parce qu'il sait que tu vas venir le voir imagine-toi à chaque fois qu'il te dit c'est parce que tu es un homme ou ko ça c'est avant l'acte sexuel. C'est-à-dire c'est avant que qu'il te caresse et tout. Il va te dire tout ce que tu veux dire. Bébé, tu comprends, même des fois de me stresser avec le travail, je me sens pas bien, ma femme me prend la tête, me la âme. Et ça, c'est pendant, c'est avant l'acte sexuel. Au moment où il a satisfait sa libido, ça y est monsieur, il, est, il a fini, il est parti au nirvana, il est revenu dem na ci douche bi sangu et tout là oui là il a plus ton temps là il est sur son téléphone sur Instagram à regarder les filles twerker il est sur Snapchat il est avec ses potes il ne se rend même pas compte que il y a une femme à côté de lui il ne s'en rend même pas compte que il y a une femme qu'il aime qui a un cœur et qui est sensible et qu'il est en train de déchiqueter de torturer de dépiécer c'est-à-dire que et même le fait de prendre sa voiture de te déposer chez toi il ne peut pas. Il ne peut pas. Et toi, tu as fait des kilomètres et des kilomètres pour venir le voir. Vous avez passé un bon moment. Déjà que toi, à la base, il n'y a aucune femme qui couche comme ça, à la base. Aucune ne couche comme ça. Peu importe, là, bon, je ne parle pas des vierges parce qu'elles, bon, elles sont vierges. Mais aucune femme ne couche comme ça. La, célibataire, la, la, divorcée, la veuve, aucune femme ne couche comme ça. Quand une femme se donne à un homme, c'est parce qu'elle a des sentiments. Quoi qu'on puisse dire, des sentiments. Moi, je parle dans le cadre des sentiments. Je ne parle pas dans le cadre de, de trucs. Voilà, je parle des sentiments. Quand une femme se donne à un homme, c'est parce qu'elle a des sentiments c'est parce qu'elle aime le gars. Malheureusement, nous, on ne peut pas trop se retenir. Moi, je parle de nous, moi, je me mets dedans. Mais après, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des femmes qui peuvent se retenir. Mais moi, je parle de la, généralité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se retenir. Quand elles t'aiment, elles te donnent tout. Elles sont bêtes, voilà. Elles te donnent tout. Euh, open mind, euh, voilà. Ladies night, euh, come in, do whatever you gotta do. You know, you like it, that's it. Et ça, c'est le plus grand problème. C'est parce qu'on n'arrive pas à se contenir. Et tant qu'une femme ne peut pas contenir ses sentiments, maintenir ses émotions et sa libido, ça sera toujours un problème parce que tu vas toujours penser que tu es avec le bon. Tu n'es pas avec le bon. Il est juste là parce qu'il y a Ladies Night. C'est tout. C'est à cause de Ladies Night là qu'il est là. Mais dès que tu refuses de faire, de coucher avec un gars, là, tu as le temps d'observer le gars. Et malheureusement, il y a un problème dessus parce que ça veut dire que quand tu as affaire à un pervers, même si tu te préserves 5 ans, même si 5 ans, tu es bon. Jour bon, ça c'est fini. Ça, c'est le pervers. Dans tous les cas, on est en danger. On est en danger. Parce que même si tu as un copain, tu ne couches pas avec le gars, il va rester avec toi. Parce qu'il a une autre fille avec qui il couche. Se coucher avec toi amna keneen ku donc il n'a pas de problème il a tout le temps il va t'attendre nga toog di xalaat naan kii moom yàgg nañ de xaaral rek ma jéem def lii man dama ko bëgg tee nii le jour où tu ouvres ladies night ma mu xam ladies night ça y est c'est fini soo ko woowee tu attends tiit tiit tiit tiit il a mis son téléphone ne pas déranger il a pas le temps tu lui envoies un message t'as pas vu mon message il te répond 4 heures de temps après pour te dire oui je l'ai vu je lui dis ok ça va tu vas bien il reste encore 4 heures de temps pour te dire oui, ça va. Sauf qu'insister, il reste maintenant 2 jours après pour ton là. Ça, ça veut dire parce qu'il te prend pour une conne, il te prend pour un imbécile, il te prend pour la reine des idiotes. Ça, c'est ça le problème. Montar, le meilleur truc pour une femme, franchement, expérience, hein, je parle d'expérience, d'accord Je parle pas des livres que j'ai lus ou de Google, whatever. Je parle d'une expérience. La meilleure solution pour une femme, c'est de rester dans une relation saine, et a.k.a. mariage. C'est la meilleure issue. C'est le... C'est la garantie. C'est la garantie. C'est la garantie. C'est pour ça que moi, si vous avez remarqué, j'ai plein de divorces parce que je n'aime pas trop les copains et copines. Moi, on, tu me maries et puis dans le mariage, on voit. Si ça passe, ça passe. ça passe pas, ça casse mais j'aime pas les ça mon copain, ça mon copine. Non, moi je suis pas ta copine. Moi tu m'épouses et c'est dans le mariage que je découvre comment tu es. Maintenant, s'il y a des choses que j'aime pas chez toi et que je sais que je peux changer, je change. S'il y a des choses que j'aime pas, je sais que je peux pas changer, on divorce. Moi je préfère que nous limal ma ay que nous limal ma ay parce que man dama reuy. te dama lay rom ci circulation bi nga xam ma xam may mënuma ko nous man je préfère daal nga je ma ñu négocier xol ci biir sëy bi nan la ñuy def pour relation bi dem bu relation bi demul nga delluwaat ma sama baat ma toogaat sama kër yaay ba keneen ñëwaat mais pour ma romb la ma xam ne yow sama far nga woon ñu rombante si circulation bi man ma lay xool nga may xool nga ànd benn xale bu jigéen sama xol bi di bon ma war a scandale dama mën a scandale dama ko def parce que man dama bëgg di scandale moi j'aime les scandales donc j'aime vraiment mais tu tu fais quoi c'est qui elle ah tu te fous de ma gueule mais aujourd'hui si je vais dans un resto je me tape un scandale avec mon mec les gens vont me dire mais c'est pas ton mari c'est mon mec donc non seulement ñëpp dinañ xam ne maa ngi sikk ak moom sëy weer sama bopp ñàkk sama bopp fayda parce que gel bi danaan ma eh nga may gel takku la te man la nekkal man fu ma jëm man je préfère boo man bu ñu bu ñu bu ñu xoolantee am tuuti cofeel kaay nga takk ma boo ma takkee ñu dawal ba ci biir ma xam ne jikko bii mën naa koo changer. ma changé ko ma xol la examiner le goudi ñu nek ñu fanan ñu xey ñu fanan na ma xol dose bi doyna ma ñu ma tok man mom dans tous les cas bu ma dose bi doyee ma man dose da la meunta négocier ak kenn kenn kenn kenn kenn amul yalla kum sàkk ko xamne mën naa négocier négocier ma dose ak kenn sincèrement parler voilà moi tu me donnes ma dose complète le reste mën nañ ko négocier habillement dañ koy négocier affaire yëpp koy négocier sauf mon confort nuptiale. Ça, je ne peux pas. Non. Parce que moi, je suis une femme très active, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'un homme très fort, parce que je suis très jeune aussi, donc je ne vais pas rester avec quelqu'un qui ne peut même pas faire deux coups Allez, retour frère. Je fais quoi avec toi Je ne peux pas. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que tu es l'homme avec qui... Déjà, écoutez, c'est... Bon, je sors un peu du thème, du sujet pour vous expliquer deux choses. Vous allez comprendre vite fait. Alors, toi et moi, nous sommes mariés. Nous sommes censés rester euh, des années ensemble. Il y a des choses qu'une femme ne peut pas cacher. Moi, je ne peux pas stimuler. Je ne peux pas faire semblant que tu me satisfais au lit. Et au fond de moi, je sais que tu as Parce que si nous ñëpp toog man dama reer dama là, xam nga lu mën a Je yow non seulement Je ngi négocier li ma mënta négocier te Je te man dama Je naturellement donc je préfère nga am Je de ce fait que même lu ñu mer mer mer mer ah sa de je négocier ko xam nga conseil sama Je autocritique mais man autocritique tant que je moi je suis une femme active j'ai 29 ans bientôt 30 ans dans un an j'ai 30 ans cette année j'ai 29 donc dans un an j'ai 30 ans et tout à 29 ans je vais pas faire des sacrifices au lit parce que non non non non non non non on se teste dans le mariage on c'est bon c'est pas bon on se communique dans le mariage nous disons, on wax neexuma la li ma mel neexu la li ma saf neexu la wala safuma la dara man safoo ma dara nu kon nu waxtaan suñu biir balaa nuy convoqué papa yaay nu waxtaan ma ni la maag yow noo far may ma sama baat si njëkk ak ci teraanga man safuma la yow safoo ma safante wuñu kay nanu bàyyante ñu woo sama yaay papaam diw may naa ko baaka ma jël samay dëbës gàdd samay coussin xam nga li ma la wax vraiment samay dara bi samay affaire dem sama kër yaay toog fa ne ko yaay nag kii nee na safu ma il faut nga régler ma ma saf man sax ñaata saf gi moom mënut a mënut a dem ma ak sama yaay nu xool bu nu trouvé xam nga ma la wax jigéen da ngay am fulla man bañ ma ma limal ay sëy mais kenn du ma limal far. non non non non non non non je ne peux pas De de me te dama de kersa dama de de me te de me me scandale donc man y des choses que je n'accepte pas bon ça c'est moi donc c'est pour vous dire que en grosso modo que dans le mariage on est 99% des cas plus sûr et en sécurité que quand on est célibataire et quand on est vraiment quelqu'un qui tombe très vite amoureuse parce que si on tombe euh, si, tu tombes euh, sur un pervers narcissique ou euh, sur un manipulateur, ma chérie, ça va pas te plaire. Parce que déjà, tu vas pas t'aimer. C'est-à-dire que le gars ne va pas te donner ta juste valeur. De utiliser. Et pour parler, d'un manque confiance. Tu vas avoir un manque de confiance. Tu n'auras pas confiance en toi. D'un même, même, même la motivation de chercher un travail, chercher quelque chose pour ton futur, tu ne pourras pas. Parce que le gars ne t'encourage à rien. À chaque fois, son est que et puis tu te sens malheureuse, malheureuse. Et avec ça, son xoolee sa snap gis sa copine bi ñu mayee démb ak jëkkëram ñu dem Dubaï xam nga sa xol bi nekk ngay souffrir vraiment. da ngay dem ba nit bu amé lu kon nit bu amé dara sax dang ko koy sax parce que parce que da nga nan man awma ko kon kenn du ko am donc loolu lay dem ba jour soxor ci yow et t'es pas soxor te soxoro parce que nga am nga mënta am banex té problème bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ya ka teg sa bop je m'explique tu es avec un gars qui ne te respecte pas qui ne te considère pas qui ne t'aime pas et que tu sais qu'il est là que pour, son, pour sa libido, que pour ses intérêts sexuels, que parce que tu as de belles fesses, parce que tu as des beaux seins, parce que tu as un beau visage, parce que, parce que, parce que tu peux venir chez lui à 4h du matin, parce que tu habites seul, parce que à mon parent, parce que donc parce que tu es autonome, parce que tu es soi-disant indépendante. Tu es avec le gars, il t'utilise. Et toi, tu le sais et tu restes et tu pleures. Pourquoi tu pleures en fait, tu ne devrais pas pleurer, même si je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que rester une minute sans lui parler, c'est très dur. Tu as très mal. Mais des fois, il faut regarder tes intérêts. Il faut regarder ton bien. ce bonheur d'abord avant le bonheur de qui que ce soit. Franchement, and na ko Franchement. Franchement. Personne ne mérite d'être dans une relation. Tu n'es pas épanoui. C'est-à-dire que, franchement, moi, je l'ai vécu. Et je suis restée, euh, quoi Je suis restée, euh, waouh, vraiment pas épanouie. Hein. Je vous dis, c'était la catastrophe. C'est là où j'ai pris la résolution de regarder l'homme qui m'aime, Parce que quand ma mère me disait ça, Amnabou, euh, il, faut, il faut toujours privilégier l'homme qui t'aime. manam li olof njaay di jigen day xol ki ko bëgg mais pas ki mu bëgg man loolu dégguma ko won parce que man kana la dama man américain là, you know whatever si you know mais à chaque fois boo topé ki nga bëgg non seulement da ngay mbëkk mur bi di nga am lu la metti ñëpp dinañ la xamal Té vraiment au fond au fond jaru par contre soo que akilebug. qui le sa xol dina neex sa xol dina neex ma chérie réponds pas réponds pas au truc s'il vous plaît restez concentré Ce que ak ki le bëgg sa xol dina neex euh, dina le traiter à ta juste valeur tu vas avoir euh, euh, la le le le comment dire le mérite que tu veux dans la relation, tu vas avoir la considération que tu veux, tu vas avoir le respect que tu veux et tu seras surtout épanoui. Donc, à un moment donné, il faut baisser ses standards. Parce que tout pour moi est une question de standards. Les standards, moi, moi, nous, nous Voilà. Nous, nous, nous, du nous ñun xamuñu tànk nous on aime voilà donc tu c'est ça dépend des stéréotypes tout le monde a ses préférences donc tu as des gens qui vont te dire moi je veux un gars qui fait 1 mètre 50 un gars que moi je veux un gars qui fait 2 mètres 90 kilos voilà moi je veux un banquier des fois li nga bëgg du logique, du logique. li nga bëgg au fond de toi du logique. mais da ngay dëgër bopp bëgg que forcément que li nga bëgg nii mën fait Tu mu dem te du dem lu dem dem c'est pas la peine de forcer Qui nous forcer Qui forcer la personne avec toi parce qu'il a envie d'être avec toi mais moi je n'ai jamais forcé un mec dire tu vas rester avec non non non non moi je force personne je force ni les amitiés je force ni les connaissances je force ni les relations je force ni l'amour je ne force rien du tout moi je ne force rien si tu sens que tu es bien avec moi and let's be together et si tu sens que je ne suis pas la femme qu'il te faut que je ne suis pas celle qu'il te faut euh, je suis euh, peut-être pas naturelle comme, comme t'aimerais. Euh, euh, je suis peut-être trop maquillée tout le temps avec les faux cils et c'est pas ton style, c'est pas ton genre. On n'avance pas, on arrête. Mais jamais je vais changer pour toi. Jamais de la vie. Jamais je vais changer parce que je veux plaire à mon gars. Jamais, jamais. Parce que tu m'as connu comme ça. Tu m'as aimé comme ça. Donc, soit de mes bonnes you know, leave me like that. Parce qu'on ne change jamais pour quelqu'un. On change parce qu'on a envie de changer. On change parce qu'on a envie d'autre chose. On, espère à autre chose. On veut découvrir autre chose. On a envie, on a grandi. Maintenant, nos priorités ont changé. On change parce qu'on a envie de changer. Mais on ne change pas pour plaire à un homme. Si tu changes pour plaire au gars, mais lui-même, il n'a plus ce qu'il a voulu parce que, soudain, que... Euh, euh, ni nga mel ni la wax nga mel la bëgg nga mel au début pourquoi il t'a dragué y a des hommes qui te voient euh, pas voilé tout il t'a connu non voilé maintenant il t'épouse il te dit oui je veux que tu te voiles et toi personnellement physiquement psychologiquement tu n'es pas prête pour te voiler mais ne le fais pas toi sois prête sois prête c'est pour ça que tu vois des filles aujourd'hui qui sont voilées dans six mois elles sont plus voilées. Parce qu'elles ne l'ont pas fait d'une manière sincère. C'était forcé. C'était forcé. Tu vois, moi, je suis comme ça. Moi, quand tu m'as connue comme ça, tu m'as aimé comme ça, tu m'as aimé avec mon maquillage, avec mes ongles, avec tout ça, on va aller comme ça. Petit à petit, petit à petit, dans ma relation, dans, dans, dans, dans, dans le confort quotidien, dans mon environnement, parce que l'environnement détermine l'homme. Moi, si je fréquente des, des djihadistes au bout de 10 ans, je vais être djihadiste, c'est normal. Si je fréquente euh, trop les chrétiens, je pourrais également pouvoir prier comme eux. C'est-à-dire que si tu fréquentes trop les musulmans aussi, tu seras pareil qu'eux. Donc quand tu fréquentes les gens, quand tu fréquentes un style de personne, attends-toi aussi à, être ou à peut-être le ressembler parce que c'est comme ça, qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment un cercle tout petit parce que je suis quelqu'un qui m'adapte tellement vite que je ne peux pas m'adapter à tout et à n'importe quoi. Donc change ma chérie quand tu as envie de changer. Et ne change pas parce que tu veux plaire au gars. Parce que le gars, cool, tu vas mourir. Parce que le gars, c'est l'homme de ta vie. Euh, parce que c'est lui que tu veux. Parce que c'est lui que, qui te plaît. Quand il te parle, ton cœur est, est, genre comme l'ananas qui vient de tomber de l'arbre. Quand tu le vois, ta, chair de poule, tu, tu, tu as envie de voler et tout. C'est bien tout ça. Mais le, le, le, le, le, le euh, best c'est quand la personne avec qui tu ressens tout ça également ressent ça pour toi. Parce que quand tu restes dans une relation qui est toxique, qui n'est pas vraiment du win-win, euh, tu vas finir dans la dépression. Tu vas dépressionner, tu vas commencer à, avoir des pensées suicidaires, dans les dolek, donan, tu vas pas t'habiller, tu vas clairement commencer à ressembler à une folle juste parce que tu ne peux pas te séparer d'un bangala. Et je crois qu'il y a tellement d'hommes sur la terre. Nabou bloque les intrus oui, je, franchement, je suis tellement concentrée sur le truc, je ne veux pas... Euh, euh, Laisse, les laisse-les, laisse-les, je ne vais pas répondre. Je ne vais ni les répondre, je ne vais ni les bloquer. Je vais les laisser écrire quand ils auront marre d'écrire. Je pense qu'ils vont partir de tout seuls. Donc voilà, quand tu, quand tu seras prête pour toi de, changer, quand tu seras prête d'aspirer à autre chose, donc là, tu pourras peut-être regarder une autre vision, mais ne jamais changer parce que tu veux retenir un homme, parce que l'homme ne reste, déjà ne reste pas. Donc déjà, il faut savoir qu'un homme ne reste pas. Donc s'il est là, c'est parce que, il a envie d'être avec toi. Donc s'il ne veut pas rester et que tu le forces à rester, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Et il y a plein de femmes qui sont en train de vivre des situations comme ça, qui sont dans la dépendance affective, qui ne sont pas bien dans la relation, mais qui s'accrochent parce que si, parce que ça, parce que ni, parce que ça. Et je pense que avant de pouvoir aimer une personne, il faut déjà s'aimer soi-même. Il y a L'amour propre, moi je crois que l'amour propre, ça vient avant toute chose. Avant d'aimer mon mari, euh, je m'aime personnellement. Je suis narcissique, j'aime beaucoup ma personne et j'aime beaucoup ce que je reflète. J'aime beaucoup me regarder dans le miroir. C'est pour ça que je passe des heures sur mes lèvres parce que je me regarde là. Vous pensez que si je n'aimais pas mon reflet, j'allais me regarder comme ça Là, je suis en train de vous lire, mais en face de moi, j'ai mon propre image. Donc, je me vois en permanence et j'aime la femme que je vois, j'aime celle que je suis devenue et j'aime l'expérience que j'ai eue parce qu'aujourd'hui, ça me permet, moi, de pouvoir distinguer le bien et le mal, le, vrai et le faux et surtout de bien sélectionner euh, mes relations professionnelles, amicales, même amoureuses parce que, comme je vous ai dit, euh, j'ai bien sélectionné mon époux parce que j'ai regardé autre que mes standards parce que voilà on a tous des standards on se dit un mec comme ça on veut un mari comme ça et quand on l'a on sent qu'on n'est pas heureuse donc c'est pour ça que j'ai regardé autre chose j'ai regardé ailleurs parce que j'en avais marre d'être toujours dans les mêmes types de relations et aujourd'hui le changement me va bien parce qu'aujourd'hui euh, je suis devenue un peu plus euh, comment dire voilà un peu plus réaliste et euh, parce que j'étais très rêveuse et tout, donc ça va, je suis un peu plus réaliste. Et surtout, euh, je m'améliore et j'ai l'impression, moi-même je sens hein, que j'ai l'impression, je, sens, pas l'impression, je sens que je m'améliore de jour en jour. Euh, je développe des capacités qui étaient inconnues pour moi. Euh, euh, imaginez-vous, pour la fête de Corité, j'ai été à Djurbel et j'ai préparé pour ma belle famille. Imaginez-vous, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, c'est parce que la relation dans laquelle je suis, mon mari, je suis épanouie avec lui. Je suis épanouie. Il ne me juge pas. Il n'est pas là. Oui, pourquoi tu t'es tatouée Oui, pourquoi tu, te, tu mets les ongles Oui, pourquoi tu as les cheveux Oui, pourquoi tu t'habilles sexy Non, non, non. Mon mari, il me laisse être celle que je veux être. En me rappelant que, écoute chérie, toi et moi, on veut aller loin. Donc, fais attention à ça, fais attention à ça. Tu as un enfant, peut-être ce serait peut-être mieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le forcing, il est dans les conseils avec moi. Et moi, c'est pas parce qu'il m'a dit que je le fais. Moi, je le fais que quand j'ai envie de le faire. Parce que quand je vois que ce qu'il m'a dit, et j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit, je vois que hein, il n'a pas tout à fait tort. Et là, j'adapte ce qu'il me dit. Donc ça, c'est parce que la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est une relation qui est épanouie. Donc ça, je le souhaite à toutes les femmes. Et encore une fois, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de grandeur, ce n'est pas une question de, de, de, de comment dire, de, peau, de couleur. C'est euh, une question de... C'est un choix. C'est un choix. Et dans chaque étape de ta vie, tes choix s'améliorent. Il y a 10 ans, jamais je ne me marié jamais je, je, ne m'aurais euh, euh, euh, mariée à un Africain. Parce que moi, au début, j'étais très complexée. Donc moi, je sortais qu'avec des, Blancs. Je me suis mariée deux fois avec des Blancs, deux fois avec des Blancs. Parce que je me disais Africain, de l'autopoto. Enfin, j'avais vraiment des, des, des, stéréotypes et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit ça ne m'allait pas trop ça m'allait pas parce que j'avais tout ce que je veux j'avais tout le confort Paris j'avais les grandes maisons des shopping et tout mais moi-même j'en ai eu marre parce que je suis dans la relation je suis avec mon mari j'ai un enfant avec lui mais il y a toujours ces trucs là les africaines aiment trop ça en fait demande un bug vraiment vraiment euh, je me suis dit ok toi va te faire foutre avec ton argent avec ton nom dégage vas-y c'est bon parce que là j'ai commencé vraiment à développer euh, euh, plus une confiance personnelle et surtout une confiance qui était vraiment cachée sous le maquillage et tout donc là je je, comment dire je, je, je, je me dépasse et ça c'est parce que la relation euh, dans laquelle je suis aujourd'hui m'a permis d'analyser que mes anciennes relations étaient vraiment pas non-saines, c'était vraiment toxique, ça n'avait pas de, futur pour moi. Au contraire, ça te prend tout. Parce que la plupart des, des, des, des femmes africaines, ñoom bu ñu pour ça y est ça va mais euh, ku parce que dañuy ragal ak noir tellement que noir soxor bon am ñu lekkal la di lo torturer la ñu réfugié wu ci parce que tuba bi peut-être dafa ni ni ni mais tu te sens non seulement ils ne sont pas musulmans ça veut dire que tu t'éloignes de ta religion deux tout le temps, même si le blanc t'aime comment, tout le temps en famille, tu, as des, des, trucs du genre, euh, oui, mais en Afrique, euh, les Africaines, ils aiment trop ça, en fait. Vous Oui, les Africaines, en fait, il y a tout le temps des préjugés dans, sur l'Afrique, les Africains et tout. Et si tu es quelqu'un qui ose, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui a confiance en elle, bah, tu vas tout laisser et vraiment repartir chez toi et repartir à zéro. Malheureusement, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent, qui peuvent faire ça. Elles ont peur de repartir à zéro. Elles ont peur de reprendre leur vie en main. Donc, elles sont restées dans leur relation. Non seulement tu t'éloignes de ta religion, tu ne sais absolument plus rien de, la religion musulmane. Tu, es la seule à prier, tu es la seule à war. Ton mari ne sait absolument ce que ça va à dire, le war et tout. Et voilà, donc chacun a ses, je dis encore une fois, chacun a sa façon de vivre, chacun est combiné. Mais en tout cas, moi, je suis nettement mieux mariée à un musulman pratiquant. Parce que au moins, je me dis que même si j'ai fait 50% d'erreurs, 50% de bêtises, j'ai la chance de me repentir, j'ai la chance de demander pardon, j'ai la chance de repartir à zéro. Et ça, pour moi, c'est une chance qui est vraiment magnifique, surtout quand tu partages ta vie avec un homme qui te comprend, un homme qui t'aide, qui ne te juge pas, qui n'est pas dans les préjugés, surtout quelqu'un qui t'aide d'une manière très personnelle, très euh, émotionnelle. Et ça, c'est le best, best, best, best. Donc, ne soyez pas enfermés dans vos relations. Quand ça ne va pas, fermer la porte et partez parce que si vous partez pas, bah, vous allez euh, peut-être perdre plus. Vous allez perdre votre estime, votre propre estime, votre amour de soi, euh, votre confiance, votre joie de vivre. Surtout, vous allez euh, vivre malheureuse et la vie est tellement belle. Et je crois que toutes les minutes doivent être partagées avec des gens qu'on aime. Pas être triste, pas pleurer tout le temps. Non, surtout quand on est une femme. La femme mérite tout le temps d'être heureuse. Et voilà, donc euh, c'est un petit message que je voulais donner. <clears throat> donc euh, voilà, elle me dit... <clears throat> voilà, elle dit... Euh, je vois tellement de personnes se prendre la tête sur les, sur les commentaires et c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine de répondre à ces gens-là. Vraiment pas la peine. Vraiment pas. Euh, il dit, les blancs sont des mères, tu fais honte aux ancêtres. Les blancs sont des mères, tu fais honte aux ancêtres. Bon, ça rentre dans les, dans les trucs de genre et whatever. Donc moi, ce que je dis, je l'assume. Je ne suis pas bien avec eux, je suis bien avec les gens de ma couleur. Après, ça peut paraître raciste, mais je ne suis pas raciste du tout. Je suis juste en train de, de dire euh, un, vécu et de dire que je suis à l'aise avec un mari musulman qu'un mari athée ou chrétien. Après, il y a des gens qui ça je n'ai pas de problème de religion. C'est moi, je suis mieux dans ma religion parce que ça me rapproche de mon mari, donc c'est la même chose quand on est chrétien, on se rapproche de, sa religion. C'est pareil quand on est musulman, on se rapproche de sa religion. Donc moi je suis très bien dans ma religion parce que je peux pas être née dans une famille musulmane et tout et dépayser un peu quand même. Donc ça me fait plaisir de revenir aux sources. Donc c'est un peu ça. Euh, elle me dit <coughs> à tous les hommes qui critiquent et tout, mais vous êtes obligé de répondre aux gens vous êtes obligé de répondre aux gens. Laissez-les. C'est des hommes. Ils ont envie de dire tout ce qu'ils ont envie de dire, mais laissez-les. C'est leur connexion, c'est leur façon de s'exprimer. Tout le monde est libre. Hein. Euh, coucou, c'est pour la première fois que je t'écoute en live. Franchement, j'adhère, j'adhère avec une femme qui pense comme ça. C'est très... Euh, avoir une femme qui pense comme ça de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, surtout au Sénégal, il y a trop, trop d'hypocrisie. Et là, tu viens de creuser le fond de l'histoire de tout. Dire quoi, franchement, tu es au top. Merci, merci mon frère. Merci, c'est super gentil. Euh, <clears throat> donc, euh, les sources... Bon, trop de gens énervés, bref voilà. Donc, euh, surtout, euh, hier, j'ai reçu un message d'une femme qui me dit euh, Écoute, Nabou, je vis avec un gars. Enfin, je suis avec un gars qui me traite mal et qui me rend pas heureuse. Et voilà, et je perds tout. Franchement, si vous vivez cette situation-là, essayez de repartir à zéro. Et il faut jamais avoir peur de repartir à zéro. L'erreur, c'est de rester en se disant qu'on est forte, qu'on peut le faire, parce qu'on meurt à l'intérieur. Donc, des fois, il faut prendre le verre et le casser et repartir à zéro. Mais quand on veut garder le verre et euh, ce qu'il y a dedans, bah, on ne veut rien lâcher. Forcément, quand on laisse passer le verre, quand on laisse tomber le verre, on perd tout. Mais on ne perd rien parce qu'on se retrouve soi-même. Et je crois que la vie, elle est tellement belle. Et qu'il y a tellement de gens qui quittent la vie. Il y a tellement de gens qui partent, qui nous quittent, des parents, des amis. Moi, j'ai plein d'amis qui ont quitté, euh, qui, ont, qui sont décédés l'année dernière. J'ai même euh, Mam c'est celle qui me faisait mon savon et tout. Donc j'ai été surprise d'apprendre son décès et tout. Donc paix à son âme et euh, condoléances à toute sa famille et tout, et à ses proches. Donc on a la chance d'être en vie. Donc faut pas prendre ta seule et unique vie. mais ça dans garçon. Parce que sans garçon, l'amour de ce garçon, toi en tant que femme et celle que tu es et toute l'intelligence que tu as et toute la force que tu as, tu ne vas pas vivre. Mon frère, tu pars, je prends un autre. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me respectes, je suis bien. Tu ne me respectes pas, bye. Bye, en fait. Il n'y a même pas de... on, ne négocie pas. Un homme qui ne respecte pas, tu vas communiquer avec pour lui dire quoi Chérie, respecte-moi. Bon, chérie, je voudrais qu'on parle. Je remarque que tu ne me euh, respectes, pas. moi. D'accord qu'avant de venir en... Voilà, tout de suite dans... Chez mon mari qui m'appelle tout de suite, euh, c'est vrai qu'avant de tout de suite rentrer dans les euh, on se laisse et tout, on va communiquer. Mais le respect ne se force pas. Quand un homme ne te respecte pas, euh, je pense pas que communiquer avec lui, ça va changer quelque chose. Donc déjà, faites-vous confiance et... Oups. Faites-vous confiance faites-vous confiance et attendez, je prends un appel. J'ai mon euh, mari qui veut m'appeler, là, je sais pas pourquoi. Il demande à ce que je l'appelle. Oh, j'entends rien, là. Oui, bébé. <laughs> Allô ah, Attends, attends, attends, je mets le VPN. Oui, chérie. Oui, bébé. Ouais, ça va et toi Oui, ça va, je vais très bien. <coughs> Euh, là, je suis en live, Oui. me aussi. D'accord, chérie. Je t'aime aussi, bisous. Bisous, euh, thème live bis c'est euh, relation euh, affective, dépendance affective. D'accord. D'accord. Bisous bébé, je t'aime aussi. Tu es ma vie aussi. <laughs> bon, vous inquiétez pas, à chaque fois que je parle à mon mari, j'ai un peu les yeux qui brillent, euh, façon et tout. Franchement, il aime trop me fiche à lui. <clears throat> Donc euh, voilà, je disais quoi Il m'a déconcentré, le gars. Euh, la confiance en soi. On parlait de quoi déjà Là, je suis. Excusez-moi, le... l'appel de mon mari m'a. <coughs> voilà, donc. Euh, excusez-moi, je n'ai pas collé mon maquillage. Et euh, me dit Des fois, je suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses, mais il faut. Moi, tout à fait d'accord avec toi. Diap Kofi Car Morgan. Oui, c'est normal, on n'est pas tout le temps d'accord parce que voilà, c'est mes idées et puis on échange. Donc c'est un live, c'est pas que moi qui a raison tout le temps, on échange. Mais ce que je veux vous dire, moi, euh, il ne faut jamais avoir peur de recommencer à zéro. Et peut-être que, euh, peut-être que le fait de recommencer à zéro te permettra à toi de développer des, facultés que tu ne pensais même pas développer. Je m'explique. Euh, par exemple, moi, c'était très difficile de quitter le père de mon fils parce qu'il était, enfin, il est toujours, c'est quelqu'un de financièrement très à l'aise, trop même. Et je pense que être mariée avec lui, ça m'a gâté sur plein de plans, sur beaucoup de choses, parce que j'avais tout ce que je voulais. Franchement, c'était, voilà, c'était très finance, hein, c'était du haut niveau et tout. Donc, j'étais vraiment dans le truc. Mais euh, pendant longtemps, j'étais pas bien dans la relation parce qu'il n'avait pas le temps. Toujours en train de voyager, toujours en France, toujours en truc. Il voyage beaucoup. Et je me retrouvais six mois toute seule dans la maison à tourner en rond, à faire du shopping. Donc j'étais tellement... J'étais tellement... Euh, je me sentais tellement... Je sais pas, comme une prison en fait. Oui, une prison dorée. Voilà. J'ai trop gâté, j'avais l'argent, j'avais tout. Mais j'avais pas sa présence. Il me manquait, il n'était jamais à la maison. Quand je disais, mais t'es pas là, t'es jamais là, il me dit, oui, j'ai pas le temps, je travaille, nanana. Et bon, j'ai eu des amis, je, vais au resto, fais ci, fais ça, fais ça. Et même si je vais au resto avec des copines, je suis pas contente parce que j'aurais aimé aller au resto avec mon mari. Parce que moi, je suis, euh, une, grande leveuse. Et un jour, quand j'ai eu mon fils, euh, je me suis dit, écoute, lui là, je vais le laisser en Suisse. Je vais prendre mes clics, prendre mes claques et retourner au Sénégal. Donc, je suis retournée au Sénégal, euh, dépaysée. Je suis revenue, parce que je suis revenue en 2017, 2016. Je suis revenue et c'est là que j'ai eu l'idée de mettre des choses en place. Et voilà Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, je sens son absence, parce que des fois, c'est quand même financièrement compliqué et tout. Euh, même si je travaille et tout, des fois, voilà, des fois, je veux m'acheter un sac Chanel et je peux pas parce que faut payer les emplois, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on a des moments difficiles. Mais c'est pas parce que j'ai des moments difficiles qu'avec mon mari actuel ou whatever que ça va pas aller. Ça va aller. Pourquoi Parce que je travaille. Je ne suis pas en train de dormir à attendre que Dieu fasse. Non. J'ai mis un truc en place. J'ai mis une entreprise en place. J'ai mis plein de choses en place. Ma start-up, euh, mes boutiques, mes, mes, trucs et mes entreprises qui sont dans le bâtiment et dans, dans l'électricité, dans les bâtiments, électricité, travaux publics et tout. Donc, même si ma boutique ne me régénère rien, même si le salon ne me donne rien, même si le euh, sofa à luxe, les meubles ne me donnent rien, mais un jour fera que une de mes entreprises me donnera quelque chose. Donc ça veut dire que au lieu de rester là à attendre que le gars fasse de toi un milliardaire, une milliardaire, mets déjà des choses en place, mets déjà des stratégies en place et attends que ton tour arrive pour que tu puisses vraiment en bénéficier et être autonome et te dire que malgré ça ou ça, malgré lui ou lui, ce que j'ai eu, c'est pour moi et c'est à moi. Donc je ne vais plus jamais vivre le fait de vivre sur le crochet d'un homme parce qu'à chaque fois qu'il te laisse, tu recommences à zéro. Donc c'est là qu'il faut entreprendre. Parce que quand tu entreprends, c'est ton bijou, c'est ton patrimoine, c'est à toi. Euh, et surtout, même la relation n'est plus là, même tu divorces, même quoi, en fait, tu gardes ta dignité et tu gardes tes standards et tu gardes la tête haute. Et c'est très, très important. C'est pour ça que je vous demande toujours d'avoir une activité professionnelle à côté, d'avoir une passion professionnel côté, il faut pas vraiment se laisser aller dans la relation parce qu'on ne sait jamais avec qui on vit, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et des fois, ça peut vraiment euh, affecter votre façon de penser, affecter vos humeurs, vous affecter et vraiment vous, vous arrivez à détester votre vie. Et euh, c'est très dommage. Franchement, c'est dommage, dommage, dommage, dommage. Voilà, donc je prends, elle me dit... Euh, Franchement, franchement, ouais, mais t'es au top. Je te jure que t'es au top. Franchement, je te dis ça en tant qu'homme. Je suis sortie avec plusieurs sortes de femmes. Mais nous, les hommes, notre seul désir, c'est d'avoir des femmes comme toi. Mais une vraie lionne, une vraie lionne. Franchement, je te soutiens de tout cœur. Merci, une sec Merci. Merci beaucoup, nous Ça fait plaisir. Voilà, donc euh, je vous encourage massivement à faire quelque chose et euh, c'est très important. Et surtout, quand vous êtes dans une relation qui ne va pas, partez. Et quand tu pars, s'il te plaît, tu ne pars pas n'importe comment. Fais-toi jolie, maquille-toi, va prendre maquillage à Grand Dakar ou je sais pas, en ville. Mets ta perruque, mets-toi bien. Va le voir, tu lui dis, toi et moi là, c'est fini. puis tu pars. Et pas dit, tu vas le voir. Et puis tu restes là-bas, tu commences à pleurer. Parce que nous, on aime trop ça. Tu pars pour rompre avec le gars, il te dit, chérie, euh, euh, je vais changer, patiente un peu, pardonne-moi. Tu dis, hmm, c'est sûr c'est la dernière fois, ma chérie, j'ai dit, tu pars pour Rome, tu te mets jolie. Tu portes même une robe rouge comme... Eh, bon, ne porte pas de robe. tu portes robe, là, <laughs> la série va continuer. Non, non, non. Vas-y, tu peux casser un truc, fais-lui un vocal, vas-y, euh, va te faire foutre, toi et moi, c'est fini. Tu bloques son numéro, tu l'envoies foutre. Parce que tu peux vivre euh, mieux sans lui, quoi. Franchement, il faut avoir le courage quand même. Je sais que c'est pas facile, mais quand tu veux, tu peux. Donc, il faut te serrer ton cœur tu serres ton cœur. Les deux premiers mois, tu ne vas pas dormir. À chaque fois que tu dors, tu vas penser à lui. Quand tu manges, tu penses à lui. Quand tu vas pour te laver, tu penses à lui. Quand tu mets ton déo, tu penses à lui. Quand tu conduis, tu penses à lui. Quand il y a une musique, tu penses à lui. C'est normal. C'est les souvenirs qui vont te faire ça. Mais il faut être dur. Je vous jure qu'après deux mois, sans aucune nouvelle de lui, vous pensez à autre chose. Demain, même si tu le croises dans la rue, en fait, tu vas ressentir que du dégoût. Parce qu'il il, t'a fait trop souffrir et euh, voilà. Donc, tu, il te dégoûte. Donc ça, il faut vraiment avoir une force intérieure. Il ne faut pas aussi compter sur leur belle-sœur, hein, parce que d'habitude, les belles-sœurs, là, hmm. tu sors avec le gars, la, sœur du gars sait que le gars joue avec toi, mais elle ne va, pas, elle va pas te dire. Dis, le et puis, ils jouent avec toi. Mais des fois, tu as des belles sœurs qui sont quand même euh, sincères, qui vont t'appeler, ils vont te dire dégage, cours, parce que le gars, il t'aime pas, il joue avec tes sentiments, il te prend pour une conne. Et quand tu tombes sur des gens comme ça, il faut vraiment les remercier parce qu'ils t'ont fait ouvrir les yeux. Mais généralement, tout le monde n'est pas vrai en fait. Il y a trop de faits pour vraiment s'identifier. <clears throat> Nabou Nene me ngi def lu de je t'ai dit de pas répondre Voulez s'il te plaît Nene Sow fais-moi le plaisir elle dit bon je vais le bloquer comme ça il va voilà ça y est il est bloqué il va plus pouvoir écrire Nene ne te fatigue pas s'il te plaît c'est pas la peine euh, elle me dit « Bonsoir, vraiment, j'aimerais devenir une amie à toi. Michel Guéry. Nabou, dama la trop Jojo Fall. Jojo Fall, ma chérie. Fait très plaisir. Euh, merci pour les conseils. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu as raison, les souvenirs qui font mal. Oui, mais euh, les souvenirs, c'est dans la tête. Donc, tout est une question de mind. C'est dans la tête. À un moment donné, il faut te demander, mais qu'est-ce que je vaux vraiment Moi, je ne vaux pas ça. Aucune femme ne veut être avec un homme qui te maltraite, qui te, qui te sous-estime surtout, qui pense que tu n'es pas capable de réussir, qui pense que tu n'es pas capable de devenir une grande dame, qui pense que tu n'es pas capable de changer les choses. C'est trop négatif. Trop négatif. Il faut être avec des hommes qui vont penser que tu peux. Quelqu'un qui va être avec toi. Parce que rien ne se réalise d'un jour. Tout est une question de, de pratique. Euh, de pratique, de, de, persévérance. Donc moi, je préfère être avec quelqu'un qui m'encourage, pas quelqu'un qui me décourage. Bébé, je veux ouvrir une boutique. Yo, me. Yo, me. Ah, mon, mon, yo, mon, yo, yango. Tu vois, ces réflexions. Mais tu as ta copine qui te dit, tu as ta femme, pas ta femme, parce que le mariage, c'est pas comme ça. Tu as ta copine qui te dit, euh, bébé, do am automatiquement ko non non non yow jango amo bac def non seulement de ngay réduire moralam et deux tu la fais tu tu tu tu la blesses en fait tu la blesses émotionnellement au contraire tu devrais lui dire ah oui tu veux faire ça ok chez benn 500 000 c'est pas beaucoup mais au moins en tant que ton copain j'ai participé à un, un de tes projets mais ils ne sont jamais là tu parles à ton copain de projet c'est boîte vocale Dès que tu commences, chérie, tu sais, euh, j'écoute beaucoup Naboudash et je veux vraiment commencer à faire quelque chose. xam nga sama doole toll noonu soo xamee peut-être boo amee même cent mille nga jàppale ma ma am dara Soko ko ko deuxième jour mu bloqué sa numéro boîte vocale ngay dégg parce que il a pas envie de t'aider moom dafa bëgg yow loo soxla ngay ñëw ci moom mais bëggul yow nga amal sa bopp parce que dafay dem ba nduru soxor day dem ba nduru iñaan day dem ba waa ji en fait daf la bëgg am fu mu la téye te loolu danga koy bañ parce que doo esclave kenn doo jaamu kenn ma jaamu kenn de monsieur Fall lu ma bëgg bëgg bëgg maax maa gën a bëgg sama ma bëgg bëgg maa gën a bëgg sama bopp man mi di def ay sëb sama bopp di sangu ba set def samay produit xëy na liggéey maax gën a bëgg sama bopp waaw bëgg sama bopp. an mag benn góor may torturer benn góor may wax ni mënuma lii mënuma laa non jigéen koy fleurir comme fleur nga bàyyi ko mu nekk ni mu mel nga bàyyi ko mu wane li nekk ci le vrai potentiel en elle mais pas nga koy wañ ni ku yor sa am ngeen noo mel et confiance en toi et tu te sens bien comme ça n'hésite pas euh, comment partir si tu as des mômes Bon, si tu as des enfants, je vous ai expliqué la dernière fois que quand on a des enfants, on ne peut pas partir comme ça. Parce que là, c'est plus tes intérêts. Ça devient l'intérêt des enfants. Parce que si tu es marié, tu as 3, 4 enfants, d'accord, et que tu n'as pas les moyens de partir. C'est compliqué de conseiller dans les mariages comme ça. Parce que, parce que par exemple, tout le monde n'est pas pareil. Parce que si tu n'as pas les moyens de prendre en charge tes enfants, partir avec tes enfants, ça va, c'est compliqué. Tu sais, moi, j'aime pas trop conseiller dans ce domaine-là parce que divorcer, c'est pas facile pour tout le monde. Or, moi, divorcer, pour moi, c'est 1 plus 1 égale 2. Même si j'ai 10 enfants avec toi, tu m'as frappé, je prends mes enfants et je pars. Voilà. Non, non, non, non, non, non, non. Bon, moi, c'est comme ça. Mais il y a des femmes, elles ne peuvent pas partir parce que elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas chez qui. Elles ne savent pas comment. Elles n'ont pas aussi les, les, les, capacités financières de pouvoir prendre en charge 3 quatre enfants. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut prendre en charge sa vie dès le départ. Moi, j'ai pris ma vie en charge dès Dieu a dit à vos marques, partez. J'ai commencé à courir. J'ai pas attendu, on a dit stop, fin, j'ai pris ma vie en, dès le départ. Il n'y a aucun homme qui va me maltraiter. Mon mari, là, s'il me maltraite, je, je le laisse. Hein. Non, non, non, non, non. Moi, tu m'aimes. Tu me donnes de l'amour. Tu m'envoies des poèmes. Moi, j'aime ça. Le matin, tu m'envoies poèmes. À midi, poème. Le soir, poème. À la fin du mois, poème, chèque. Ou bien poème, virement. Moi, je n'aime pas les oranges money, tout ça. Là. Moi, j'aime pas ça. Fin du mois, s'il n'y a pas poème, argent, garde ton poème. Garde ton poème. Hein. Ah, fin du mois, poème virement, poème argent. <laughs> voilà. bourse, c'est des preuves. Hein? C'est pas que la bouche aussi. <coughs> voilà. Euh, elle dit euh, Oui, c'est compliqué. Euh, tu t'aimes fort. Votre thème est très intéressant, Madame Fall. Il y a des signes avant. Il y a des signes avant-coureurs. Souvent, la personne est malheureusement immature. Il se nourrit de ton énergie pour exister et c'est très toxique. Vous avez pu aborder que la société n'ose pas parler. Il zappe il zappe ton moral. Je pense que c'est une maladie. Oui, ma chérie. Ce dont tu es en train de parler, c'est pour le cas des pervers narcissiques. Eux, ils ne peuvent pas, c'est des hommes qui ne peuvent pas exister tant qu'ils ne t'ont pas vu pleurer. C'est des hommes pour que nous ramener ay pour que ñu c'est des Hein? il faut que nous wax la la metti tant que et ça pour moi c'est pas des hommes c'est des omelettes un homme un vrai c'est-à-dire que un homme qui porte son pantalon, un vrai homme. Un homme, hein, un vrai homme. C'est un homme qui peut te faire rire même quand, même quand les conditions ne le, ne, le font pas, même quand, il est, même quand il est fâché, même quand tu lui as insulté, même quand il y a vraiment le bordel dans la maison, c'est un homme qui peut garder son sang-froid et qui ne te rend pas les injures que tu lui donnes. C'est un homme qui sait se calmer quand il faut. Et surtout, c'est un homme qui sait te respecter et qui sait te valoriser. Tant que ton homme ne te valorise pas, ne te respecte pas, il cherche que à te faire triste, à te souffrir, à te voir pleurer, à te voir attacher ton pain, mousseau se bobby, froissé, don dara, dara, dara, dara, dara. Koko, beaucoup de le goor bu xëyee nga gis la nga belli wala bu la gisee sax nga tok froissé sax nga ah bébé yow tay lu tax nga melni non chérie j'aime pas te voir comme ça ñeu draay la xam nga ni la ah bébé yow bay li ngay def xaw a yëngal tuuti après nga reetaan tu vois xam li nga bëgg muy ndil la ko bébé man depuis tout à l'heure je te vois comme ça qu'est-ce qui se passe kañ dem jëndi glace bébé sois pas comme ça ça va aller même si les choses sont difficiles yalla baax na man dina ñeu c'est ça un homme c'est ça même boole ni lekk soom bi sax war na mën a ñëw jël boolam dend la ko sa bool di la saxal soom bi nga xam ne soom bi ngay lekki mais soom bi plus ak tuuti saxal waaye ngay lekk soom bi muy lekk soom bi mu lay def ay coup de di la di la di la kobos ah ndoxu raxas bi mu wis la ko non arrête arrête au pire jox la deux mille ne la toggal añ dem dem si fa kilo yap ça c'est des hommes moi quand je peux pas vivre ça franchement non franchement non il y a des hommes comme ça laisse ta femme souffrir de faim dehors c'est toi tu es gentil dehors il y a il y a may il y a battre il y a y def filles sagal ay say xarit bay sa sa propre jabar ngay sagal say xarit balanga ngaa sagal sa gasa da ngay sagal gasa jabar bu pare la charité bien ordonnée commence par soi-même man sama jëkkër bu ma gisoon muy sagal waa mbedd bi bàyyi du ma mës a ak moom man kay danga may sagal nu and lu des ñu may ko waa mbedd ma mais mënoo njëkkee si mbedd mujjee ci ma loolu sàmba alar la sàmba alaar baaxul de te soo pijik ko wóorul ko <clears throat> poème ak virement affaire matérialiste la ay man Sénégal what ma <laughs> ah les pauvres lots dans mon live là elle dit nabo tu as raison euh, franchement tu as raison sur ça et ah, je lis ça elle me dit ok merci beaucoup pour le message elle me dit euh, lol de toi pourquoi maternité qui bon je suis d'accord

li ma def sama kaw fi eyeliner yi ak yooyu fu koy jëlee yére yi ma sol fuma koy jëlee kon dang ma génne sama kër papa génne ma sama kër yaay pour ma yor sama bopp kon ba ci ma sama kër papa sama kër yaay so génnee jigéen ce kër papa ma kër yaay c'est pour nga topoto ko de A à Z tam ngeen ku ñu wax topoto sa jabar rek nga naan ko ay matérialiste mais c'est une question de de de mais c'est naturel de prendre soin de la femme avec qui tu es chaque goutte de nga ñeu tap ma.

<laughs> La femme, c'est pas un objet. Vous êtes là. Euh, je veux que vous bëgg sa jabar takku ko te joxoo ko ko am ngeen noo leen mel mooy góor ñii pourtant <clears throat> li mu wax dëgg la man tubaab moo ma indi fii France ma commencé di liggéey mu commencé teg ma bët bët lu ma ko laaj mu ni ma yaa ma salaire man ne ko fa ñukk dem sama yoon voilà mon histoire aji faal macha allah am nga fulla am nga fayda man moom tubaab moom leen laa si mënul leen leen leen vraiment mënatuma si dara dara dara dara doom bi ma leen jural moom respecté naa ko waaye mënuma si ñoom dara dara dara dara soxoon nañ siis nañ iñaan nañ no jàppalee ba nga am tuuti rek ñu commencé génn seen jukko yi man daal sénégalais daal dara gënu ko ngay kàbbar may kàbbar ngay julli may julli ngay tari may tari su ma juumee nga corrigé ma màggal nu ànd màggali Touba nu dem def ziar dem suñu Touba gàmm ñu gàmm ji dara neexul sa diine ak sa sa culture ah toog daal na ku nekk daal toog ci sa xeet daal dëgg-dëgg son nañ kenn fat sénégalais dafa neex tubaab du lekk maccaat déjà loolu la ñoom du ñu lekk ceeb bu saf kaan du ñu lekk maccaat du ñu lekk bisaab du ñu lekk kii euh, kii suul ak ñoom yéeg du ñu lekk kii euh, nu tudd loolu noonu suul sénégalais day lekk suul lekk bëgg bisaab nu maccaat toog si bool bi di waxante lu neex léeg-léeg ma togg mbaxal bu tàng de nuy riit ngay kii kii di ko ëf di ko riit di di mbaxal bi di ko dir ko nii ba mu tas si bool bi nii nga koy lekk nii ah tubaab du lekk mbaxal bi man ma bëgg africain ci bopam sentir Afrique mon Afrique bi sama biir kese man ma bëgg Afrique mon Afrique bu ma kenn fatt man son man ci tuba bi 10 ans de mariage ak tuba xana doyna escort bi loolu mo sama grand escort bi mo sa def 10 ans de mariage doyna na sëkk ak barke mënoonu mu neen dara dara dara Afrique mon Afrique Afrique des faits guerrier lampe yu fay nga gis lu ñuul sa paquet ni li xam lu ma wax def nii torse bi nga ngay séen daa yow ay torse foofu ay Afrique moon Afrique dafa man je sais pas waaw sama jëkkër naa ko ay kii jëndal naa ay kii ay vitamine comme ça mu ñëw mu def quatre-vingt-dix kilos man daal ba ñu ma si dara naa ko soldat ba mu fees am benn problème mu ñal leen ma rek dagaluma lool man daw ma lool lan xam nga li ma la wax tubaab daal neexul dara dara dara kër gi daal ay spaghetti ay bolognaise vraiment c'est nul Franchement, je préfère les noirs, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais. may tafati rek mo xam <laughs> bloqué ma day Je bloqué numéro ji ji ak dara <coughs> elle me dit euh, vraiment Bilal Naboumé, je t'adore je t'adore aussi ma chérie mon mon nga Adifal. Mashallah. je je précise pas où elle se trouve le problème de sécurité. J'ai compris, ma chérie, t'inquiète pas. <clears throat> Hum, elle dit, euh, tu as vraiment raison et tout, donc euh, il faut vraiment... Euh, oui, c'est ça, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. <laughs> C'est vrai, hein, c'est vrai qu'ils sont très légumes et tout ça, mais bon. Après, chacun a ses préférences, donc faut pas trop se focaliser sur ce qu'on dit. Donc euh, nous, on est des ex, donc vous, vous êtes actuel dans la relation. Vivez-le comme vous voulez, ne soyez pas trop dans ce que nous disons, parce que moi, je l'ai vécu et je ne veux plus le revivre, mais il y a des gens qui le vivent actuellement, donc c'est pas une mauvaise chose. Dès lors que tu es bien avec la personne, c'est le plus important en fait. Néna, tu solo de oui, Amna Solo dans, dans, dans, le confort de vie. Mais on se dit la vérité. Confort de vie, c'est tout ce qu'il peut t'offrir, les papiers, euh, c'est tout. Toutes les Sénégalaises qui sont là, toi, Amna Solo, c'est parce que tu veux des papiers, ou bien la ou bien la dans la Mais hormis ça, il euh, n'y a rien de kiffant en fait. À part quand tu vas avoir des enfants qui sont tout blancs, tout métissés, c'est bien beau, mais hormis ça, moi je trouve pas qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est. Euh,

Balde Balde <laughs> voilà donc en gros c'est juste pour vous dire ça et euh, sortez des relations toxiques faites-vous confiance donnez-vous une chance et euh, voilà dans la vie il faut toujours te donner une chance donc même si tu fais des erreurs c'est pas un problème l'erreur est humaine donc euh, on n'est pas censé naître dans de très bonnes conditions on n'est pas censé naître jusqu'à notre mort avoir un parcours zéro faute. Tout le monde fait des fautes. Tout le monde se trompe. Tout le monde prend une mauvaise décision. Maintenant, si tu écoutes des gens qui vont te dire tu as fait cette erreur-là, donc tu es une personne mauvaise, c'est parce que tu as un petit esprit. Parce que qu'il est il y a déjà Et les gens qui sont toujours en train de critiquer les gens, ñoom buñ toogoon xam nga fi mu nekk dafa am neex ci situation bi mooy fi nga bu guddi bu guddi de ñëpp dañuy tëdd te boobaa yàlla rek moo fa moo tax ku wéet rek xam li yaay kan xam li nga def ak li nga deful donc c'est pas la peine euh, ngay jël waxu nit ñi di ko def sa bopp ba yaakaar ni que peut-être tu peux pas devenir meilleur ou bien tu peux pas avancer ça absolument rien parce que yàlla bu ñu sàkk yàlla bi ñu sàkk ñun ñëpp sax des fois nit dina juum julli tuub la mu baal la sigam yàlla moo mën a baale asamaan ñun ñi dañu may nit ñi ñu noppalu ku juum xam ni juum nga régler defaat leneen c'est tout l'essentiel faut pas répéter ses erreurs parce que sinon ça donc quand tu fais une erreur Il ne faut plus essayer de la de faire faut faut, plus la refaire faut essayer d'avancer dessus et grandir voilà donc seuls les imbéciles ne changent pas donc les gens qui sont là dans les critiques D'y juger par euh, c'est français nous on comprend pas les voleurs formats s'il te plaît eh, eh. J'ai envie de dormir, mais ça m'enrôle. my maman, bye live, Vinabou. Qui es-tu? Chérie, va dormir. Je vais tout de suite couper terre. Je vais parler à ma, à ma mère là. Donc euh, voilà. Donc courage à vous et euh, je vous souhaite euh, vraiment du courage dans tout ce que vous faites, dans votre vie du quotidien, dans votre milieu professionnel, dans votre milieu personnel, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple. Et sachez que dans la vie, rien n'est facile. Et euh, tout est une question de prendre des risques. Tant que tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas savoir vraiment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en est et qu'est-ce qui est euh, l'enjeu joué. Bon, il faut toujours prendre des risques dans la mesure euh, possible, bien sûr. Et surtout, te faire confiance et te dire que, te dire que l'erreur est humaine donc, quand tu apprends à te pardonner, tu peux mieux accepter les donc, tant que tu ne te pardonnes pas tes propres erreurs toi-même, tu ne pourras pas t'assumer, tu ne pourras pas te regarder en face. Et je pense que dans la vie, le plus important, c'est de s'accepter tel qu'on est, accepter ses erreurs, accepter ses défauts, accepter qu'on a eu à faire de mauvais choix, mais surtout accepter de changer. Donc ça, c'est la meilleure thérapie, c'est de s'accepter et de se pardonner. Alors pour celles qui sont dans des relations toxiques, faites le choix, mais surtout faites le bon choix. mbëggeel neex mais mbëggeel ak yëg-yëg dafa gën donc góor bu la yëgul bu la bëggul bu la wanewul bu lay nëbb di la utiliser di la manquer de respect tuuteel la di la ñàkkal fayda ba nga xam ni kii daf ma ñàkkal fayda boo fa toogee yow la neex parce que mbëggeel neex na waaye respect tamit ci la

te whatever is going on in you know voilà surtout euh, acceptez de vous faire confiance et pardonnez-vous le pardon est euh, une très grande thérapie voilà donc bisous et n'hésitez pas à m'écrire donc le prochain thème c'est vous qui le guidera bisous bisous bisous bisous bisous et bonne nuit bisous les bébés